Tudo, tudo, tudo, tudo.

des chiffres Macky Sall ce forcing là ça ne passera pas aidé par une certaine presse aidé par une certaine presse comme l'Observateur et le soleil qui a daigné dire aujourd'hui même que Macky est réélu nous sa utiliser le conditionnel Le deuxième tour c'est par force manipulation de l'opinion du Djal. le peuple s'est exprimé et nous allons respecter ça Macky Sall dafa wëndeel carte gi carte gi lamber ci parce que deuxième tour dañ y dem par force manipulation de la justice Il char de combat chars gendarmerie combat, police du ko ci deuxième tour par force le l'opposition a un minimum 52 moi 44 là, la am loolooy dëgg Boun Abdallah dañ porter plainte parce que 57 je suis yi mu wax dafa am toxoon moo tax mais du soxna si loo mën di dégg bu taalibe loo jëm lan par force lay doon Ben leader ben jeune de l'opposition taxawul ne l'opposition a tel pourcentage ñoom ñoo génn di bluffé di génne 57 pour cent alors que chiffre yoy, wa Benno Bokk Yaakaar ñoo leen ko jox on peut pas être juge et parti Boun Abdallah Dionne directeur de campagne la du dara ci réew mi booy wax loolu li mu def nag li mu def

Ils vont nous faire avaler cette pilule qu'ils n'osent pas nous dire en face. Et que nous allons continuer à poser des actes pour leur montrer qu'on ne renoncera jamais. Jamais. Parce que ce qui se passe, c'est clair, c'est limpide. Il s'est montré que d'ailleurs, c'est lui qui a le monopole de la parole, c'est lui qui va parler. On va l'écouter jusqu'à vendredi. Il va balancer des résultats en faveur du pouvoir, puisqu'en vérité, il est là pour faire des sales jeux. Il a toujours été au cœur des grands dossiers qui ont toujours, toujours, toujours été en faveur de l'État. de l'élection au premier tour. Si Macky Sall ose se euh, réclamer gagnant, gagnant au premier tour, le pays sera terrible, le pays sera difficile à comprendre. Et nous allons descendre dans les rues, puisqu'en vérité, nous ne sommes pas dans une république bananière où chacun a le droit de faire son propre vouloir ou pouvoir. On ne l'acceptera pas, on ne reculera pas. On est venu aujourd'hui. D'autres, jours, on va poser des actes allant dans le sens de révolte et de contester. Et nous allons le continuer de manière permanente. Je lance un appel à toute la jeunesse de ah, l'opposition qui sont à Dakar, qui sont à Thiès. Ce qu'on va ajouter, l'un Kessel, Macky Sall, il a l'habitude, ça est sous élection amé, voilà, dès que de il un avion de France. d'après les échos qu'on a su dee lu muy def ñeme na su dee lu muy def du tey choix sénégalais yi lay eh, lu sénégalais yi décidé naka assumer parce lii c'est pas le combat lii c'est pas le combat de Idrissa Seck ni de Ousmane Sonko ni de Madické Niang c'est le combat du peuple